les mariages Le mariage, c'est un contrat par lequel euh, on tisse une union, une communion entre un homme et une femme c'est la base d'un certain nombre de euh, conditions posées par l'islam, euh, qui sont entre autres choses, donc le consentement de la fille d'abord, n'est-ce pas, et maintenant la demande formulé par l'homme. Ensuite, maintenant, s'il y a le consentement, et la dot bien après. Maintenant, il faut un témoignage. Il faut un témoignage des deux côtés, les parents de la fille et les parents de celui qui cherche à marier la fille. Donc voilà, entre autres, les conditions par lesquelles donc euh, euh, le mariage est, fondé. Bon, vous savez, nous sommes dans un monde où euh, lapidaire, le le respect et l'obéissance entre euh, les grands ou les petits, entre la femme et son mari, c'est que ce sont des choses qui sont en train d'être euh, effacées. Il y a des aléas. On ne veut pas dire que c'est tel ou tel aléa. Il y a beaucoup d'aléas qui, qui interviennent dans ces choses-là. Mais quand vous voyez le divorce en tant que tel, c'est que c'est une mésentente. Ou dès le départ, il n'y a pas eu le consentement. Euh, on a forcé la fille, ou bien la fille elle-même, d'elle-même, elle a suivi un intérêt qu'elle n'a pas vu par après. Donc, euh, ce n'est pas un consentement net. Et donc, euh, il arrive des situations comme ça. Ou alors, on a violé l'une des règles ou plusieurs règles qui régissent les mariage lui-même. Donc, vous entendez, vous arrêtez le contrat entre vous. Parce que le mariage, c'est entre les deux. Ce n'est pas entre les parents et les parents de l'autre, ou bien les parents et celui qui... Non, le mariage, c'est entre, entre le couple, la fille et le garçon. Donc, vous entendez, s'il n'y a pas eu ces préalables-là, eh bien, le plus souvent, le mariage ne dure pas. Donc, le mariage euh, ne dure pas, sinon ne demande même pas, parce que c'est parti sur la base euh, très fragile, n'est-ce pas Donc, oh, ça arrive comme ça. Vous entendez sur quelque chose pour toute la vie voilà, moi, j'aimerais voir ma femme dans tant, tant, tant, tant, telle condition. Et je m'engage à lui assurer tant, tant, tant, tant, tant. Moi aussi, j'aimerais voir mon mari dans tant, tant, tant, tant, tant. Je lui assurerai tant, tant, tant, tant, tant. Je lui garderai sa dignité. Je lui ferai tout ce qu'il va commander de moi. Donc, voilà, voilà. Donc, vous tissez, c'est un contrat. Le mariage, c'est un contrat. Un contrat, il y a des clauses. On dit, voilà, moi, je cède ça, toi, tu cèdes ça, ainsi de suite. Donc, s'il n'y a pas eu cette étape au préalable, le plus souvent euh, ici à Namé ce qu'on voit à côté de nous, c'est ce genre de choses. Juste, par, même par téléphone, par, WhatsApp, tu épouses une femme, ça, c'est pas un mariage. Il faut respecter les rites des mariages parce que c'est pour fonder une famille, pour fonder des humains. Donc, c'est pas de la blague. Il y a des mariages par photo, il y a des mariages par Yazbillah, il y a des n'importe quoi. Donc, ce sont des fausses bases ou des bases fragiles. On ne peut pas se marier. Euh, on vend, la fille ne peut pas se vendre comme une, une chèvre, quoi. Une femme a une valeur euh, inestimable si elle le sait. Donc, les préalables qu'il faut arrêter avant de se marier,